tey nak ay perspectives politiques lañuy waxtané suñuy waxtané ñuy waxtaanee perspectives politiques ko Wolof Njaay di waxé bay say wéwu tank da ngeen am seen candidat muy Amadou Ba yeen ñëpp seen yaakaar ci Macky Sall ngeen ko tegoon le 3 juillet mu ñew njuuy leen yeen ñëpp ngeen melni ñuy sorti ñu glace mu tanal leen Amadou Ba jamono ji Amadou Ba bu mu leen tanal mu jànkonteel ay difficultés manam suñu xolé tay candidat yi ku ci ëpp difficulté Amadou Ba la tudd muy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar tey naka ngeen di gérer loolu muy difficulté manam plusieurs défis yi nga xamante taxaw na ci kanam. bon xam nga so waxé difficulté day xawa a parce que xam nga Amadou Ba c'est un homme du sérail <clears throat> Amadou Ba dafa di personne bo xamante ne dafa jàngee Sénégal euh, amé fi ay diplôme am ay lijaasam nek un produit de l'ENA de l'ENAM ex ex ex ENAM euh jóge fa nek un inspecteur des impôts et domaines participer dans la, ref, la refonte des lois organiques de, de, de, des impôts et domaines le code général des impôts et domaines formaté ko défar ko bom ñong ñoŋ li nga xamné mom la Sénégal di xar ci ñom mu jógee fa nek le directeur général yalla may ko aussi mu nek le ministre de de de de l'économie des finances et du plan mayat ko mu nek ministre des affaires étrangères koku nonu yalla tenku ko mu jox mu nek ki nga xamné mom moy le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar le premier ministre koku yaakaar naa ne tey képp ko xamal képp ko xam politique la démarche politique la démarche anticipative en politique war nga l'ensemble des stratégies nga un homme politique pour euh, séduire l'électorat, pour am électorat pour gagner il y a am amna ko parce que sur le plan programmatique euh, il est la chevre ouvrière de la de du plan Sénégal émergent et la colonne vertébrale de la vision du président Macky Sall looloo tax président am ci confiance pour confier la relève pour, pour, pour assurer la continuité, pour assurer la, ce, développement qui est déjà enclenché depuis 2012, qui, euh, a, qui a permis au Sénégal, ils film, actuellement ils sont devenus, c'est devenu une réalité, qui a des trains, des BRT, des films, c'est des rêves, c'est des chimères, ce sont devenus aujourd'hui une réalité. Donc Amadouba, euh, <coughs> politique nak dafa dëkk que le ne lu wax du une vérité canonique bo xamante alcorane la dañ koy tek ni kenn duko contester contesté dafa nek lo xam c'est des textes yo xamante ay nit doomi aadama ñoo ko ñoo ko càmbar ko il faut que mu am ay imperfections il faut que mu am aussi ay guerre de de positionnement parce que nak ben philosophe wax nako ko la il n'existe pas dans ce bas monde une décision qui est unanimement adoptée par tout le monde mais naturellement day am ñi nga xamne ne dañuy barricadé mais li ci am solo rek moy kep koo xamante aussi il ne se ne se sent pas être impliqué nañ waxtaan ak ñom ou trouver un consensus trouver un pacte de confiance pour xam ne permettre képp coalition mouvement présidentiel bi santé accompagne le candidat mais tey su Amadou Ba en face des difficultés parce que la a eu des défis multiples yoo va présenter au quand le président Macky Sall di porter choix am ci Amadou Ba est-ce qu'il y a Karon qui tey su porté ce choix am ci Amadou Ba li xew qu'il y parce que opposant la bas on peut dire est opposant la bas mhm. parce que même sous tu de continuité Madame def madame day wuti il n'est pas au pouvoir c'est le président Macky Sall qui est au pouvoir comme tu as laissé ses réalisations c'est le président qui l'a réalisé mais Amadou Ba il y a ci parti bu mu bokk muy APR te nous génnooguñu ñu nous ci à APR Amadou Ba opposant il est frustré. les frustrés je peux citer le cas de Mamboy Diaw le cas de Boun Abdallah le cas de Ali Ngouille Ndiaye Nous génn nañu Amadou Ba amaat ay opposant muy lan est opposant bi radical bi PDS opposant le la Askan bi opposant le F24 opposant la donc Amadou Ba naka lay gérer défi par rapport ak tey nga xamante on est à trois mois des élections défi bi c'est simple c'est le dialogue et le dialogue c'est un homme de dialogue mais les gens ne s'opposent pas en réalité au euh, Amadou mais ils s'opposent au président Macky euh, parce que parce s'il derrière le président Macky il faut que nous affaire hypocrisie président je suis prêt man je ne je ne comprends pas mais le man di c'est des camarades de parti il ne faut jamais insulter l'avenir parce qu'on a besoin d'eux on a besoin à ce qu'ils euh, se qu'ils se ressaisissent pour que nous nous ñëw Nous ki nga ki président Macky Sall confiance confier ko nous ci confiance parce que parmi autant de Sénégalais tant na nous ñii mu poste de directeur général nous mu jox poste de ministre pendant une longue durée ay presque durant les durant les onze ans nga xamné ñom au minimum amna na xamné xam occupé nañ ci douze ans de poste poste portefeuille ministériel donc lolu rek il ne suffisait que man li wax rek suma amone benn mois de nomination bo xamantene président amna ci man confiance jox mako rek lolu nonu en tant que gor en tant que Sénégal xamné intégrité ak ak honnêteté ak le sens le sens de de l'engagement lañ xam dina ma conférer ay pouvoir yoo xam duma du ma mos opposé aux décisions du président Macky Sall man fofu nak la len di wax Amadou Ba actuellement le temps lui est compté parce que euh, fu ñu ko tané ak fu élection il ne peut pas rencontrer tout le monde il ne peut pas voir tout le monde mais li ci am solo moy que képp fo nek ak fop fo travailler dans le sens large ratifier ratifier large pour que nous nga xamné c'est la masse électorale c'est les grands électeurs qui ont euh, adopter le projet nous avons liggéey ci ko gagné élection présidentielle lo tax muy Aly Ndiaye muy Boun Abdoulaye muy euh, ak ku monti coalition de Bokk je leur dis que il faut rejoindre le camp de la coalition de Bokk la maison mère pour que nous unissons nos forces nous conjuguons nos énergies pour assurer une large victoire au soir du 25 février.